Salam journalistes journaliste, nous ngi leen di nuyu bu baax leen voilà donc di remercier d'abord la coordonnatrice euh, nationale du parrainage madame Aminata Touré ak euh, le ministre Amadou Ba qui a fait un parrainage au niveau du département de Dakar Je remercier tous les responsables de l'Alliance pour la République et de la mouvance présidentielle élargie pour le résultat nga xam ne parrainage donc une fois de plus nous les remercions bon pour le cas actuel s'agissant de la gestion opaque et nébuleuse de la mairie de Dakar c'est un sicaire politique à la tête de la magistrature du département de Dakar Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz il a un démembrement de l'État et la mairie de Dakar ne peut être un matelas d'atterrissage de délinquants et de sicaires et de bandits de luxe la cogère du département de Dakar est les responsables du département de Dakar n'accepteront en aucun cas, et les habitants du département de Dakar n'accepteront en aucun cas que des délinquants, des bandits, des prétentieux de cohérte, des prétentieux de soient insérés dans une administration aussi, sérieuse que, le, que, la mairie de, Dakar. Nous wa Dakar, Barthélémy Diaz voté un budget, budget rectificatif, à un coût de 2 milliards 300 millions le objectif bu alors que les biens les moyens les biens du département de Dakar sont là-bas ils ne sont pas là pour être utilisés pour des combats politiques pour abattre ou bien pour combattre qui que ce soit mais ils doivent venir aux besoins des des, Dakarois aux besoins des des militants aux besoins de tous les gens qui résident dans le département de Dakar donc nous la jeunesse du département de Dakar de la Cogère nous lançons un appel à tous les les habitants de la population, de, Dakar de face à ce sicaire politique, à ce bandit, à ce délinquant, qu'il arrête ces manipulations, qu'il dit la vérité aux Sénégalais, qu'il dit la vérité aux, habitants du département de Dakar. Arrêtez, nous, nous, président, on fera face à Barthélémy Diaz. Nous savons Macky Sall du Moromam, Diego Moromam, Moussa Don Moromam. Donc, nous, nous, nous, nous, on fera face avec lui, le terrain là ça ne l'appartient pas ce budget là ça ne l'appartient pas il doit arrêter ces congrégations oisives ces manipulations cette malversation et ce comportement abject et lâche qu'il est en train de faire véhiculer pour mentir la population afin de snober nos consciences pour encore une fois de plus réussir sa mission. C'est quoi C'est de manipuler, de manipuler, de, de, de marcher dans l'invective, dans l'arrogance, avec des inepties, la galimatias et des controverties pour essayer de snober la conscience des, des, des, Dakarois. Donc, j'ai lancé la jeunesse sénégalaise la jeunesse sénégalaise que consciente conscient la manipulation bi nga opposition bi la la jeunesse de Dakar manipulation bi nga xam opposition bi nga xam ne nanguñ liggéey tous ay bandi lañ ay délinquant lañ ay sàcc lañ ñëw fii di di utiliser conscience nous di utiliser moyen pour uniquement assouvir à leur à leur fin donc vraiment je vous remercie profondément. Salam alaikum. Je suis Mustafa euh, Moustapha responsable des jeunes de la paix au au la Assainies vraiment nous ngi rafetlu euh, tous les journalistes en fait nous en fait tey li waral avons bi le ñëpp nous avons temps pratiquement plus de deux mois ñu ngi parrainage Le parrainage bi département de Dakar les responsables ñi les militants les sympathisants de la grande mouvance présidentielle Gatianga Alama. parce que depuis gis on a vraiment plus de 540 000 parrains dans la région de Dakar donc Dakar département de Dakar 200 200 000 et parrains donc vraiment ñu koy vraiment les responsables les militants les sympathisants ces parrains là nous fexe ñu électeurs donc je crois que si ñu nekkee électeurs au soir du 31 juillet day nek comme lettre à la poste donc vraiment buñu ñu ci lolu, gis nañ temps aussi nga xamné xew nañu man lima gëm moy aujourd'hui Dakar way def nañ erreur nañ ma jégalu kat mais peut man lima gëm moy Dakar way def nañ erreur erreur fal ay ñi nga xamné du liggéey mo leen tax a jóg erreur bobu lima gëm moy dañ koy corriger ci élection législative yi di ñëw le 31 juillet Madame, aujourd'hui dans beaucoup de communes ici, du département de Dakar dañoo fal ay maires yi nga De un, de un de deux ñeneen ñi ay locataires lañu ñeneen vraiment amuñu compétence pour qu'ils puissent vraiment gérer les collectivités territoriales donc si nous, sommes suñu communes, au niveau des de on a élu Ben maire bi nga Locataires, la faut vous. demee tey ci d'autres communes ils ont élu des maires nga xamné des locataires donc je ngi lancer un appel solennel à tous les Dakarois surtout aux électeurs Dakarois nañu xamné élection lu am solo la ci réew élection moy woné li réew mi mel donc tay lu ñu ñaan moy élection législative ñu dem ni nañu voter la coalition Benno Bokk Yakar... parce que ñun suñu njiit le président de la République dafa une vision pour le Sénégal Une vision pour Dakar... aujourd'hui Dakar un un mois ou deux mois il mi nga xam journaliste yi mi nga xam ne yéen ngeen fi. un mois ci y fi ngeen jógee qui bu fi, tali bi lu mu deux mois ci ginnaw melul woon donc aujourd'hui le président Macky Sall est en train de faire des choses extraordinaires à Dakar ñaata pont mo am Dakar train bi nga xam gaay gars wax nañ ko stade Abdoulaye Wade et cetera et cetera donc aujourd'hui pour vous dire que le président de la République a une vision pour Dakar a une vision pour le Sénégal cette vision là bu leen kenn dugal ci ay manipulation bu leen kenn dugal ci ay wax naka sudul comme le cas du maire de Dakar Barthélémy Diaz aujourd'hui ñepp xam nañ ne Barthélémy Diaz crédit yëpp yu muy c'est pour préparer sa campagne électorale du 31 juillet 2022 Et Dakar comme gëm naa ne xam nañu ne erreur ba élire des maires qui nga parce qu'ils sont incompétents donc au soir Inch'Allah, du 31 juillet Dakar Wai, nous corriger erreur bi nga la majorité absolue à la coalition Benno Kiyakar, à son excellence le président de la République Macky Sall C'est pour vous dire que le maire Batanil Diaz, encore une fois le président Macky Sall du moromam aujourd'hui parce que y a un moo moom xar bi rek nga bàyyi buum donc aujourd'hui moom dafa am lu reprocher. reproché parce que le maire yi bëri nañ fii mais moom que génne di wax donc aujourd'hui mon parti Dias comme l'année, ne lu mu def ni nekkul ci yoon am lu donc encore une fois nous lançons un appel aussi au préfet Barthélémy Dias vous naree continuer ni, s'il ne respecte pas les lois et règlements nañ ko révoquer ñun non lañ parce que Dakar ouais, dañ ko fal pour liguer, mais faluñu ko pour mu recaser des amis ou des copains ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ce ne sont pas des références aujourd'hui Guy Marius n'est pas de référence ci Sénégal man maa ko wax du référence Sénégal parce que nous ne lu mu def ak jaar aujourd'hui le capitaine Touré man ñun dañuy voyager ñun dañuy voyager aujourd'hui Touré lu mu def bo démé dans la sous-région dañuy rouss sax parce que dafa déshonorer la gendarmerie sénégalaise té lolu ñun ñëpp war nañ war en fait loolu ñun loolu ñun loolu ñun ñëpp war nañ ko ñaawlu encore une fois ñuy gërëm ñëpp sant ñëpp dinaan carrément la préparer wu les élections du 31 juillet 2000 2022 pour joxe la majorité absolue à l'Assemblée nationale à la coalition Benno Bokk Yakar. merci